le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Voilà, il est 18h15 minutes. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey, relayés à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum pour le vendredi, c'est toujours du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Pour cette semaine, un seul thème retient notre attention, le retour du vice-champion des Jeux olympiques 2016 en taekwondo. Issouf Alfaga accueilli hier soir en grande pompe par les populations de Niamey et le président de la République Issouf Mamadou. Nos invités pour en parler de façon générale pour toucher les autres disciplines sportives. Nos invités, dis-je, euh, euh, Dandoua de la télévision, télévision Liptako. Bonsoir Rufai d'être là. Bonsoir, merci merci d'être là. Voilà. Après fois, nous avons Arimi Abba de Alternative Espace Citoyen. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Merci d'être venu. Et enfin, Sekou Berry Ibrahim de la Voix du Sahel, Sekou qui a aussi participé à CG à Rio. Bonsoir Sekou. Bonsoir Amadou. Bienvenue. Merci. Voilà. Voilà, pour euh, planter le décor à 18h17 minutes, nous allons essayer de suivre euh, ce papier de Adama Dawati euh, sur l'ambiance hier soir au Palais des Sports de Niamey. Quelques minutes après le cortège, le champion Alphaga fait son entrée au Palais des Sports. L'ambiance était au rendez-vous, le public impressionnant éclate de joie en scandant Alphaga, le Niger te dit merci. Le médaillé Et voici notre représentant. représentants. Rendez-vous et pris pour le Japon une ambiance riche en musique et en démonstration de taekwondo. Mais la fête ne serait pas complète sans la présentation des six athlètes porte-drapeau du Niger aux Jeux olympiques de Rio 2016. Dans ce mot introductif, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chef de la délégation nigérienne à Rio, remercie et encourage les athlètes, particulièrement le vice-champion Alfaga. Salisu Ada n'a pas manqué de rappeler les efforts fournis par le gouvernement dans l'accompagnement de ce dernier avec une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Pour sa part, le médaillé d'argent Abdelrazak Isifou Alfaga affirme rentrer au pays avec le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, je suis fier. Euh, ça, c'est mon objectif parce que euh, ça fait longtemps que je pratique euh, cet art-là pour devenir un champion. Là, aujourd'hui, je dis merci au président de la République qui a assuré toute la jeunesse nigérienne. Inch'Allah, la jeunesse, je sais qu'on va mettre le paquet pour défendre notre pays. Au palais des sports, Alfaga a eu droit à tous les honneurs il a été accueilli par le président de la République en personne. Sifu Mahamadou l'a décoré au grade d'officier de l'Ordre national du Niger. Il lui a aussi octroyé une somme de 50 millions de francs CFA, plus une villa, sans oublier la prise en charge de ses frais de stage en Allemagne jusqu'en 2020. Cette prise en charge va permettre au vice champion de bien préparer les prochains Jeux prévus à Tokyo au Japon. Adama Dawaki, Studio Kalangu. Voilà, merci Adama pour ce reportage sur l'ambiance au Palais des Sports. Nous revenons au studio avec nos invités, Arimi Abba de Alternative Espace Citoyen, Segoberi de La Voix du Sahel et Rufai Dandoua de la télévision Liptako avec qui nous allons commencer. Rufai, vous avez suivi l'accueil hier, c'était pompeux, c'est vraiment cela qu'il faut Merci et eh, Amado. Il faut dire qu'on était à l'aéroport euh, depuis 14 heures jusqu'à l'arrivée des Sekou et surtout de Alphaga parce que c'est lui qu'on était parti accueillir. Mais je vous dis que je n'ai jamais vu ça. Même quand le ménage était qualifié et pour la première fois en 2012, c'était sans commune mesure. On n'a jamais vu ce qui s'était passé partout dans les rues de Niamey, de l'aéroport jusqu'au palais des sports. C'était des, des gens, des enfants, des vieux, des femmes, les gens qui suivait le camion qui transportait Alphaga parce que nous aussi on était eh, sur le camion. Les voitures, tout le monde s'arrêtait pour prendre des photos, pour saluer Alphaga, comme pour dire que pour une fois eh, au Niger on a notre star. C'est la première euh, grande star euh, du sport nigérien. C'est vrai qu'on avait connu un temps l'équipe nationale avec surtout Moussa Mazou, mais je pense qu'il n'y a pas à comparer entre les Jusque deux. Là. Jusque-là, Alpha c'est vraiment euh, la naissance d'une star. C'est vrai que ça a commencé, on va sûrement revenir. mais ce qui s'est passé hier, c'est vraiment historique ce qu'on a vu. C'est le, mot qu'on va retenir uh-huh. avec vous. Arimi, vous vous en pensez quoi écoute, euh, je pense qu'il mérite euh, d'être accueilli de, la sorte, euh, parce que c'est le premier Nigérien désormais, je crois, dans toute compétition, tout domaine confondu. On n'a pas un Nigérien deuxième du monde. c'est le seul que nous avons, et il faut l'honorer tel qu'il le mérite. Euh, un champion olympique, bien sûr que c'est mieux qu'une qualification à la Cannes, euh, même si c'est un, sport euh, individuel. donc, je crois que c'est à juste titre. le président de la République, le gouvernement, ils ont vu juste moins que ce qui a été fait nous aurait déçu et on nous aurait fait vraiment sortir de nos réserves. Mais c'est chose faite et je pense que certainement qu'on va revenir, que c'est très historique et Va servir, ça va servir de leçon à tous ceux qui ne sont pas adeptes de l'effort. D'accord, merci Arimi. Sekou vous, vous étiez jusqu'à Rio, vous êtes revenu avec le vice-champion. Votre commentaire oui, justement, nous, on ah, était, c'est vrai qu'on était à Lomé, parce qu'on avait pris le vol euh, à partir de Lomé, le vol spécial qui a été l'avion qui a été. spécial, à, partir de Lomé. Donc euh, nous, sincèrement, on a vu hein. sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de manifestations de joie, mais euh, sincèrement, on ne pensait pas que c'était cette ampleur que ça allait donner, parce que pour nous, vous savez, le Nigérien, généralement, n'est pas trop festif par rapport à une situation, voilà, euh, vous êtes qualifié, vous avez une médaille, bon, tout le monde est content, mais j'ai vu que cette fois-ci, ça a pris vraiment euh, une mesure euh, démesurée, excusez-moi du terme, parce que on est On a, quand l'avion a atterri et que à travers les on voyait un peu l'ambiance déjà, on avait pris peur. Et on disait, mais comment les gens déjà, ils sont là et finalement, et ce qu'on a vu, ils ont parlé d'historique et inédit également. C'est, c'est, pas, c'est sans commune mesure. Les gens sont sortis. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé, mais en tout cas. Qu'est-ce qui a expliqué oui, cet engouement? Peut-être que c'est, lié au fait qu'ils soient champions du monde et vice-champions du monde. Et peut-être parce qu'ils ont suivi. D'accord. Arimi, vous, vous avez un mot sur ça? On soif. De victoire. victoire. On a soif de repères. On a soif de référence. Nous en manquons et ce jeune homme est venu combler euh, un vide qui nous a tant marqué. Euh, je crois que c'est un jeune homme qui a donné confiance à la jeunesse, qui dit à la jeunesse qu'il faut savoir chercher euh, ce qu'on veut. Donc je crois que c'est de cela que les Nigériens avaient besoin. Ils l'ont vu à la télévision, ils avaient besoin de le voir mhm. vraiment en direct. D'accord. vous êtes d'accord avec lui Surtout que le taekwondo, c'est pas une discipline très connue comme la lutte. C'est vrai que ça, ça, ça, ça, a commencé aux Jeux olympiques récemment, je crois que c'est la troisième, c'est la première, la première euh, fois. Et, il faut se dire que ça n'a pas commencé avec l'accueil. Hein. Bien avant, et déjà quand Alpha a été qualifié, je crois qu'il a, qu'il a, a, une baraka, euh, le garçon en plus de ça, c'est un athlète hors pair. Et ça a commencé bien avant eh, l'accueil quand il était parti à l'Académie des Arts. Chaque fois, c'était plein à craquer. Les, les, les, journalistes ont fait bloc derrière Alphaga. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a fait bloc. Pour une fois, on a quelqu'un comme l'a dit Arimi, un repère euh, sur qui s'identifier. La jeunesse était en manque de repères. un moment, on s'était identifié à autre chose, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, voilà un jeune qui avait cru, qui croyait à lui, qui dit non, je veux je vais aussi gagner parce que je sais que je suis fort, je peux battre n'importe quel athlète. Alphaga l'a fait et de la meilleure de manière. Euh, à l'Académie des arts, les ministres, les citoyens qui étaient venus de manière spontanée parce qu'on n'avait pas mis euh, les voitures, on n'avait pas payé les gens pour aller les prendre. Ils étaient venus de manière spontanée pour venir supporter cette, euh, cette icône parce que pour, pour tout le monde, c'est devenu le héros national, l'icône de la jeunesse nigérienne. <coughs> je vais lire quelques titres des journaux que j'ai pu lire ce matin. Jeux olympiques Rio 2016, Issouf Zafaga promesse tenue, s'exclame le républicain. Promesse tenue car le samedi 20 août dernier sur le tatami de Rio, le Niger est rentré dans l'histoire du, sport mondial grâce à ce jeune combattant de 21 ans. C'est une icône qui est née renchérit le journal. Saïd dimanche non plus n'a pas manqué d'éloges à l'égard de Razak. Le peuple nigérien rend hommage à notre héros national et décrire en faisant le portrait du médaillé une pépite nommée Issoufou Razak, al euh, Alphaga Razak. Alors, moi, j'aimerais savoir comment Alphaga a pu se hisser à ce niveau-là en un temps record. Il a juste commencé en 2001. C'est vrai qu'il a connu quelques mésaventures. Quand vous parcourez son portrait ou en tout cas son parcours, même en tant qu'à un moment, il a même laissé la discipline parce qu'il y avait un de ses cousins qui était décédé, mort suite euh, justement à des combats de taekwondo. Donc euh, à un moment, il a même laissé. Il était et hier, on avait justement eu la preuve parce que quand on était à Lomé, il parlait leur parce qu'à un moment, il s'est exilé vers euh, mm, la côte, Togo, la côte où il vendait des petits objets, un commerçant ambulant. Donc vous voyez, après finalement. Euh, son histoire, son parcours, puisque peut-être qu'il a une étoile qui brille. Donc finalement, on a pu convaincre ses parents pour qu'ils reviennent à la discipline. Il était à un moment même pressenti pour aller aux États-Unis, tout ça, mais finalement, il a accepté de rester. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un parcours, euh, pas, je ne dirais pas atypique, mais c'est un parcours quand même. C'est son parcours, c'est son destin en quelque sorte et qu'il est en train de décrire. Oui, c'est le destin, Alimi Moi, je pense que c'est un parcours tout, à, tout simplement euh, atypique, euh, je dirais filmique. Euh, tout simplement parce que ce jeune homme, selon euh, les renseignements qu'on a, euh, c'est un, orphelin de père et de mère, qu'il a grandi avec son oncle. Quand son petit, son cousin est décédé, on l'a retiré de cette discipline. Il l'a repris parce qu'il aimait la chose. Au Bénin, on a voulu lui donner la nationalité, il a refusé. En Allemagne, on a voulu le, son lui, oui, la lui donner, il a refusé. Et aujourd'hui, il est médaillé olympique en argent pour le Niger. Je crois que c'est euh, un parcours, euh, c'est un destin tout simplement pour, euh, pour ce, jeune homme. Il est écrit euh, qu'il a quelque chose euh, qu'il doit montrer à la face du monde. Et on a l'impression d'être dans un film, tout simplement. Et je crois qu'il n'a pas fini. D'accord. Filmique, c'est aussi. Je suis d'accord que euh, on, aurait été à, Hollywood, ça allait être un scénario d'un film, mais je, je, je, ne pense pas que ce soit une promesse tenue. Hein. Parce que hier, par exemple, j'ai parlé avec Gamache ils nous ont dit que il prépare Alphaga pour 2020. c'est. C'est le vice, le président, même si on peut dire de la Fédération de Taekwondo. Oui. par intérim, parce que le président n'étant pas là. Alfaga Alphaga est préparé pour 2020. C'est vrai que, et dans les, tout dans, les interviews, dans les discours qu'il tenait, il disait je peux le faire. Beaucoup moins en 2016. Bien avant. Mais pour, pour, pour AlphaGa, pour son staff, pour tous ceux qui connaissent le taekwondo, il n'est pas préparé pour aller avoir une médaille. AlphaGa, euh, même s'il n'a pas de médaille, on, il y avait beaucoup de titres. On, ne lui aurait pas voulu, mais quand vous prenez, euh, je crois que les gens ne comprennent pas comment se fait la sélection des, en taekwondo. Ce n'est pas comme dans les autres disciplines. On prend les 10 meilleurs du monde, les olympiques, et maintenant on prend les 2 meilleurs de chaque euh, continent. Voilà comment ça se fait. Ça veut dire que tous ceux qui sont les 10 meilleurs, AlphaGa ne, ne faisaient pas partie des 10 meilleurs olympiques, puisque les 12e ou 13e donc, ceux qui sont 13e, ceux qui sont devant lui, ça veut dire qu'on suppose qu'ils sont meilleurs que lui. Lui, il est parti en tant qu'outsider. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que il m'a dit on, on le prépare pour 2020. Et s'il avait peut-être gagné la médaille d'or, il serait et il serait trop mis, à l'œil. Et maintenant, c'est Isaïev qui l'a battu, qui est la cible. Alpha, aujourd'hui, il peut se préparer de ce moment parce que l'objectif c'est de 2020, il a gagné nous, Nous allons, nous allons y revenir mhm. euh, C'est cette préparation. Mieux quand On va observer une courte pause. Voilà, Issouf Alfaga, très bien accueilli par les populations, mais aussi par le président de la République, Issoufou Mamadou, qui l'a accueilli là-bas au niveau du Palais des Sports, où la cérémonie a eu lieu. Je vous propose de suivre le message, ou du moins le discours du président à la cérémonie d'hier. al je voudrais te saluer. Très saluer le fils champion olympique 2016 du taekwondo. Je voudrais te féliciter aussi pour avoir... Euh, dignement représenter le Niger aux Jeux olympiques euh, de Rio. Grâce à toi, cela a été dit, le Niger euh, est la 69e nation olympique aujourd'hui, la 6e d'Afrique. Je vois encore euh, les coups que tu as donnés face à tes adversaires. Et ces coups, je crois, valent plus que tout discours sur les vertus de l'effort, sur les vertus du travail euh, bien fait. Et j'espère euh, que la jeunesse nigérienne décodera ton message, le message euh, du succès au bout de l'effort, le message de ceux qui se réveillent tôt, de ceux qui travaillent dur, voilà, le président de la République, Issouf Mamadou, hier soir, à l'endroit du médaillé, du vice-champion en taekwondo JO 2016. Euh, Arimi, vous avez bien suivi le discours du président de la République et puis euh, la position même, la façon dont même le président s'est impliqué. Votre commentaire je crois que euh, c'est. Il a. Honnêtement, il faut sincèrement dire que il a pris les taureaux par les cornes, à mon avis, qu'il a tout simplement très bien fait. Euh, le président de la République. Le président de la République, il a très bien fait. Et je disais que euh, moins que ce qu'il a fait nous aurait déçu Parce que je suis quelqu'un qui a suivi de très près euh, euh Daboré, Isaac Daboré. je connais, je sais un peu les péripéties qu'il a connues par rapport, y compris à la médaille qu'il a remportée qu'il a mis, comme on dit, à l'œil du monde et qu'il a laissé carrément tomber parce que je suis allé plusieurs fois chez ce monsieur. nous, allons y revenir. Voilà. Donc, que Alphaga soit accueilli de cette manière, que le président le prenne, à bras le corps la cérémonie de son accueil, puis qu'il prononce euh, un tel discours et lui remette la coquette somme, il faut dire, ce n'est jamais arrivé de l'histoire euh, du sport nigérien, de 50 millions plus une villa je crois qu'il a très bien fait et a perçu même, a même a été visionnaire. Ça, ça c'était pour hier. avant, avant, il y a aussi d'autres, d'autres cadeaux, d'autres. Euh, sincèrement, aussi impliqué bien avant là. Sincèrement, euh, je pense, d'abord, c'est un sport individuel. Hein, Il s'agit de taekwondo. Donc, il s'agit euh, d'un seul sportif qui euh, perçoit cette somme-là, ce montant-là, et à qui cette fête est offerte. Donc, je crois que c'est un peu différent. Mais le jeu en valait euh, la chandelle, parce que tout simplement, euh, le niveau qu'il a atteint, aucun Nigérien ne l'a encore atteint. C'est une première euh, sur tous les plans sportifs qu'il vient de réaliser. Mhm. Donc je crois que rien que pour ça, il mérite ce, traitement, mais aussi si dans l'avenir il arrive à faire, je crois qu'il mérite tant ou plus. Parce que il faut se dire une chose, en sport, euh, ce jeune homme, Rufai l'a appelé, il a y compris été kaya comme on dit en Hausa. il a vendu des petits revendeurs et tout. Donc il a investi, c'est un investissement de toute sa vie qu'il vient de réaliser. De la même manière qu'on paye un fonctionnaire pour le travail fourni, je crois que tous les Nigériens, de quelque secteur qu'ils soient, ils travaillent pour l'État du Niger. Donc qu'ils soient récompensés, même que c'est après coup, je crois que ce n'est que justice d'abord. Et le président de la République a été Le président de la République euh, a rendu justice. Oui, en fait, le mérite est récompensé pour fait, dimanche. Euh, c'était par rapport à, justement au discours du président. Euh, c'est vrai que le président, il faisait justement, il faut le dire, il n'a pas hésité. Parce que vous vous rappelez quand il, il fut champion d'Afrique, le président lui a offert une enveloppe de 25 millions. En ce moment, ces problèmes, depuis que la presse est Justement, c'est ça, justement, l'objectif. Euh, Abdelazak était abandonné à un moment parce qu'il vivait simplement de 500 euh, 000 francs CFA en Allemagne parce que c'est le comité olympique qui a pu lui trouver. Mais il travaille avec la bourse locale. Et il fallait justement qu'il fasse les compétitions. Et il faut d'abord euh, dire que son entraîneur a cru en lui. L'entraîneur, vous l'avez dit, Donc son premier soutien, c'est d'abord l'entraîneur. L'entraîneur qui a cru à lui parce qu'il n'avait pas les moyens pour euh, faire les déplacements. Mm. C'est dans ses frais qu'il le prenait, il l'amenait. Lui, l'entraîneur Oui, sur les 500 000. Donc c'est ce qui a fait que justement quand il a commencé à avoir ses succès, effectivement euh, les journalistes se sont justement euh, en tout cas formés en bloc pour dire attention, voilà un champion, voilà une pépite qui est là, mais qui n'a pas les moyens de, de, sa politique. Et en ce moment, le président de la République, c'est vrai, il faut le saluer. C'est vrai qu'on n'a jamais, nous, ça fait plus de combien d'années qu'on court derrière le sport. Mm. mais sincèrement, Amado, on n'a jamais vu quand même quelqu'un, il faut reconnaître à César ce qui appartient. Sincèrement, les 25 millions d'abord, Ensuite, sa formation, tout ce qu'il a eu à faire, l'État a payé à hauteur de 65 millions. Et ensuite, le président lui a donné 25 millions. Et à partir d'hier, c'est-à-dire que jusqu'en 2020, effectivement, je vais juste faire une digression tout à l'heure. C'est vrai que l'entraîneur, ils sont cinq dans le centre où il est, c'est en Allemagne, centre euh, de haut niveau de taekwondo. Il n'y a que cinq, ils ont cinq, deux Suédoises et trois Africains. Mais et pendant ce lui, l'entraîneur, c'est L'objectif, c'est que c'est 2020. Mais si vous avez remarqué, tous ceux qui étaient dans le centre ont été éliminés. Je crois que c'est la Suédoise qui a eu une médaille de, bronze. Mais les trois, il y avait un Sénégalais, il y avait un Tunisien et il y avait lui. Merci pour cette précision. Euh, Dandois, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du président je suis d'accord. C'est bien apprécié par. Oui, surtout dans le discours du président quand euh, il a, titillé sur euh, la jeunesse qui, était en manque de repères et qui a un repère qui est Alphaga. Je suis, mais j'ai comme l'impression que depuis hier, la star, ce n'est pas Alphaga, c'est le président de la République. Or, il faut savoir faire la part de choses. Et Sekou l'a dit, si la presse n'avait pas fait bloc derrière AlphaGa, peut-être qu'on allait laisser AlphaGa et il ne serait pas le champion qu'il est aujourd'hui. Parce qu'à un moment, on s'était dit, et eh, écoutez, voilà un diamant brut qu'on a en main et qui, qui, n'est pas bien poli. Parce qu'il était en Allemagne, il son centre a dit qu'il va le, le, chasser, si on peut le dire, parce qu'il faut 60, 60 millions, 65 millions, excusez-moi. Il fallait le donner. Qui peut le donner si ce n'est pas l'État du Je pense que c'est tout à fait normal. Qu'on lui donne 50 millions, c'est tout à fait normal. Autant de, beaucoup. Autant, non, autant de d'abord on lui a donné 1 million, 72, 1 3, eh? millions. autant de d'aborder. Si vous... pas vu. Bon. bon. ça c'est notre point. 3 <laughs> millions. Vous voyez en tout cas, ça c'est prouvé. Moi, oui, c'est prouvé. tout à l'heure devant moi, j'ai vu l'argent, j'ai pas touché, mais j'ai vu. J'étais à la cérémonie. J'ai filmé, on a donné les 50 millions à Alphaga, 15 millions à Daboré, 5 millions à tous les autres athlètes. Mais ce que je veux dire, c'est que hmm. c'est vrai qu'il faut euh, rendre à César ce qui lui appartient. Hmm. Le président a fait ce geste. Peut-être qu'un autre aurait fait la même chose ou n'aurait pas fait la même chose. On ne l'aurait pas su parce que ce n'est pas un autre à la place. Mais je pense que c'est, faut que les gens comprennent. Ce n'est pas la poche la poche du président, c'est l'État du Niger qui donne par le biais du président de la République. Je suis d'accord, peut-être qu'un autre n'aurait pas fait et de la même manière, mais la star encore aujourd'hui, c'est AlphaGa. puisque Parce que quand vous lisez ce qui s'est dit... On n'oublie pas les soutiens importants. Très bien. Certainement qu'on n'oublie pas, mais euh, la chute de, de, de je crois qu'il faut aussi insister là-dessus. Euh, et d'ailleurs, ce genre d'appui, il faut tout simplement l'institutionnaliser, euh, tout simplement parce que on dit il y a un flou artistique qui est entretenu à ce niveau. On dit toujours, le président de la République a donné. Où est-ce qu'il a cet argent Normalement, on doit lui dire, au nom de l'État du Niger, le, président de la République lui a remis un tel montant. Je crois que c'est hyper important et ça... Mais c'est quand même une cérémonie solennelle. Non, même, que, que, ce soit le cas, une villa, euh, si c'est à lui, c'est vraiment dans le compte de Mamadou Issou qu'on prend pour lui donner. Mais écoute, le président de la République, qu'il le fasse, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est dans l'État, dans, le budget de l'État que c'est soutiré, il faut aussi le dire très clairement. Parce que le flou artistique de cette Alors, c'est oui, merci beaucoup, mais c'est cool. Je, crois que eh, tous les pays du monde, c'est parce que peut-être nous, au Niger, on n'a pas l'habitude d'avoir un médaillé. Mais avant de partir à la compétition, par exemple, quand vous prenez l'Azerbaïdjanais, l'Azerbaïdjanais, c'est comme ça qu'on dit, qui, Radic qui a battu Alphaga, son état. Ah, son, oui, son État a dit en cas de Vous avez apprécié. Je pense que c'est important. Chaque pays, avant de partir à la compétition, on dit si tu gagnes une médaille, d'or, tu as tel montant. Lui, l'Azerbaïdjan a dit chaque citoyen qui amène une médaille à 300 000 euros. Vous voyez, nous, comme on n'est pas, comme on n'est pas habitué, on ne dit pas. Mais quand il revient, maintenant, on lui donne. C'est bien. Par exemple, les Anglais ne donnent rien les Français donnent 50 000 euros, les Américains donnent 47 000 euros. Chaque par champion. Par, vainqueur d'une médaille d'or, voilà, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Mais nous, on n'est pas habitué, on a fait Alphaga. C'est bien, mais il faut qu'on se dise que c'est l'État du Niger qui a fait. C'est bien, c'est ce que, nous retenons. Alors, ils sont à leur millième médaille d'or. Oui, ça, c'est les Américains. Alors, c'est pour vous qui étiez avec Alphaga à, à Rio, euh, décrivez-nous un peu cette, la situation. C'est vrai. Comment il est euh, arrivé à ce point-là Vraiment, euh, c'est vrai qu'au départ, nous, on croyait en Alphaga et tout, pratiquement. Et je vous le disais, dès l'instant où la presse s'est saisie de cette affaire. Oui, mais en face il faut voir les, maintenant, challengers. non. Ce que, euh, ce que vous ne savez pas, c'est pratiquement tous ces gens-là, Alphaga a eu à les rencontrer lors des différents Open. C'est des gens qu'il a déjà rencontrés. Par le français, c'est vrai, il l'a pas rencontré, mais il le français s'était qualifié parce que celui qui euh, faisait, qui boxait, excusez-moi, dans la catégorie, avait justement changé de catégorie. Donc vous étiez très optimiste. Nous, on était optimiste Et ce qui nous inquiétait un peu, c'était le Brésilien, parce qu'on avait eu peur de cette pression. Siqueira, avec tout ce public qui était là, on avait peur. Maicon Siqueira, c'était ça son nom. Et il avait pratiquement une taille aussi euh, énorme. Il avait, il n'est pas. Donc ça nous faisait peur. Et maintenant, quand on est arrivé, on a vu que c'était tellement facile. Mais d'abord, avant ça, je veux juste dire que euh, vraiment, moi, en tant que journaliste, je l'ai trop surveillé pour voir, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire par rapport à la vie de tous les jours. Mais j'ai remarqué que c'est un garçon qui passe tout son temps dans sa chambre. Mais j'étais, c'est ça qui m'a même rassuré. Parce que vous ne le voyez jamais dans le village en train de tourner. Si vous le voyez, il est parti chercher les McDo, il est revenu. Donc c'est une autre qualité. Vraiment, c'est d'un sportif. Parce que vous ne le voyez même pas. On va, vous allez dans sa chambre, c'est-à-dire là où la villa a des athlètes, parce qu'il y avait au moins tous les athlètes nigériens là-bas, les garçons, mais vous ne le verrez pas. C'était une qualité. Maintenant, par rapport à la suite, dès l'instant où le Brésilien est tombé, Vraiment, on s'était dit que la médaille était. Oui. Maintenant, la couleur, c'était. D'accord, mais Arimi, c'est quand même une médaille, une médaille d'argent. Hein, c'est, ce qu'il aurait euh, rapporté euh, le bronze, je serais aussi satisfait. Euh, El Faga a 21 ans. Euh, il est pratiquement le plus jeune de tous les combattants de, en taekwondo. Ça, c'est un. Deux, au Niger, nous avons perdu le fond de dossier en matière de, euh, de, candidature vraiment réelle, euh, qualification à une phase euh, finale des JO. Ça aussi, nous n'avons pas, nous ne savons même plus préparer un, athlète à aller à cette compétition. Alphaga, il est allé, il s'est jeté à l'eau. C'est vraiment une sorte de d'éclaireur qui est allé, n'est-ce pas Donc, même si c'est le bronze, moi je l'aurais accueilli de la même manière parce que au moins il aura fait après 44 ans comme Issa Daboré. Nous sommes à notre deuxième médaille. Et mieux, il a quand même franchi un autre pas parce que cette médaille est en argent. Donc je crois que il nous, cette médaille vaut l'or. la médaille vaut l'or, l'argent vaut l'or pour nous. Hmm. Je vais peut-être vous surprendre. Euh, les gens vont dire que je c'est Rufai, mais je vous assure que moi, ma crainte je voyais de loin, je ne sais pas comment euh, c'est ces qui était sur place. Mais moi, ma crainte, c'était eh, l'Ouzbek. C'est le meilleur pour moi. Sincèrement. C'est le champion du monde, champion olympique. Pour moi, c'est le meilleur. Comme vous voyez, c'est lui qui a fatigué Alphaga. Même si Alphaga l'a battu. Demi en demi-finale. Lorsque Alphaga a battu Shokin, eh, c'est son nom, je me suis dit qu'il va gagner l'or. Pour vous dire que je suis encore dans un goût d'inachevé. Pour moi, Alphaga aurait pu gagner l'or quand il avait gagné Shuken. Mais qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Alphaga a gagné eh, la demi-finale, elle prend son drapeau comme pour dire c'est fini. J'ai la médaille d'argent, ça veut dire que c'est historique, je suis le premier à l'avoir. D'abord avec le bronze, c'est fini. Il a commencé aussi à donner des interviews parce qu'on l'a suivi. Vous pensez que ça, ça a joué sur, non, ça a la suite du match Pour moi, elle était dispersée et, et il avait pour lui la médaille qu'il devait avoir même si ce n'était pas espéré, mais il a atteint l'argent, c'est déjà fini. Et Gamache m'a dit, pour nous, on ne pensait même pas à une médaille. Maintenant, aller jusqu'à argent, c'est déjà bien. Pour moi, Sincèrement, je vous dis. Non, je vais vous euh, dire, sincèrement, pour moi, il pouvait battre euh, Isaïev, qu'il a déjà battu. Pour moi, il était meilleur. Je vais donner 20 secondes par personne par rapport à ça. Son challenger, euh, Isaïev, c'est vrai qu'ils se sont rencontrés déjà à deux reprises. C'était un match nul. Il a battu Alpha, Alpha l'avait battu mais c'était pas le finaliste. Oui, c'était pas lui qu'on craignait parce qu'il y avait même un Cubain qui a été éliminé. Mais en réalité, euh, après sa finale, après sa demi-finale, parce qu'après, on, on l'a vu, on a dit, il s'est pratiquement, il a commencé à, prier parce parce qu'il y a eu un peu mais de il A fait aussi même euh, au quart de finale, la prière. Oui, mais c'était un peu le fait de prendre le drapeau pour courir, parcourir. C'était aussi une débauche d'énergie parce que nous, quand on a demandé à la fin, moi, je, je l'ai interviewé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas Il me dit qu'il était fatigué, il avait des crampes. Vous avez vu cette débauche d'énergie qu'il avait eu à faire après sa qualification et il fallait le remonter tout de suite. Il n'y avait pas cette histoire de kiné, tout ça là pour. En tout cas, il nous a dit qu'il avait des crampes, il ne pouvait pas véritablement. Ce n'est naturellement pas euh, mon avis. Euh, il était 13e en venant, en allant au jeu. Il a fini deuxième. e ça veut tout simplement dire que c'était une sorte de redistribution de, de, de, tâches, de, de, formes, parce que c'est la forme du moment de l'athlète. Euh, donc qu'il ait battu, euh, qu'il soit match nul avec euh, le champion, Issaev, c'est ça veut dire que lui, il prend un point sur lui. Aujourd'hui, il a deux contre un euh, face à Alpha Moi, j'ai suivi, hein, je suis resté à trois heures comme vous. pour suivre euh, ce, combat et j'ai tout simplement, je me suis dit que, un, le coaching est pour quelque chose. La preuve, euh, ces autres co-entraînés ne sont pas allés loin. Et on nous a bien dit que l'entraîneur de son challenger a insisté pour qu'il soit le premier à le toucher, n'est-ce pas C'est ce qu'il a fait et rapidement il est parvenu à mettre d'autres points. Et c'est ça qui, je crois que c'est la forme du moment. Alphaga est allé jusqu'au bout de ce qu'il peut. D'accord. Et espérons que. Voilà, alors on va attendre maintenant Alphaga en 2020. Et pour cela, en tout cas, des dispositions ont été prises. En tout cas, des conditions ont été créées. Hier, le président de la, de la République l'a dit. La prise en charge sera totale. Et en tout cas, pour cette fois-ci, on peut espérer l'or. Parce que toutes les conditions sont réunies. Oui, Et, euh, juste en, 10 secondes, je vais répondre à Armi. Je pense que a été en équipe nationale, il a été un grand athlète de haut niveau. Je n'ai pas, je, n'ai pas compris qu'il ait dit cela. Il a compris que lorsqu'Alfaga a pris le drapeau, il a perdu d'énergie. Il a commencé à donner des interviews le haut niveau ne pardonne pas. D'accord. Alors revenons maintenant, sur les dispositions. maintenant, au-delà, de la préparation de 2020. Au-delà des 50 millions qu'on a donnés à Alphaga, au-delà de la maison pour lui assurer ses arrières, je pense que la meilleure chose qui a été faite, c'était ça, de lui assurer la prise en charge, totale jusqu'en 2020. Là, il sait qu'il n'a même nous, nous journalistes, on sait qu'on ne va plus maintenant perdre d'énergie pour demander à ce... Là, il sait qu'il est quitte jusqu'en 2020. Maintenant, c'est à lui de nous prouver que cette médaille, ce n'était pas ça. sa, la médaille. La médaille, c'est la médaille d'or. Et au Japon, il va l'avoir. Tout est fait. Oui, bah, tout est fait. Maintenant, je ne sais pas dans la forme comment ça va se passer. Moi, ma crainte, c'est qu'il n'y ait pas de flottement. Le président de la République l'a dit. C'est une prise en charge totale. Maintenant, c'est dans la mise en application. Certainement que vous allez trouver des fonctionnaires zélés qui vont un peu bloquer tout ça. Je pense que c'est moi, c'est ça ma préoccupation. C'est ça ma préoccupation. Sinon, le président, une fois qu'il parle, il dit que c'est ça. Je pense que les gens doivent suivre pour l'argent, on l'a vu. Oui, euh, Mais maintenant, vous savez, puisque c'est dans, sur 4 ans, mhm. vous savez maintenant les, flottements qu'il peut avoir, les gens voient les petits fonctionnaires. D'accord, ok. Euh, Aimi, est-ce que vous pensez Oui, euh, <laughs> en, 5 secondes parmi les 20 pour parler euh, de, de, de, de, la forme de, de l'athlète. En fait, il a eu 30 minutes son combat, le combat de son challenger est venu 30 minutes après le sien. Il a eu 30 minutes quand même de repos. Même s'il a eu fait une débauche d'énergie de 15 minutes, il avait le temps de se reposer. Je vous dis que ce jour-là, le bonhomme était supérieur. Maintenant, concernant euh, sa prise en charge, je crois que c'était la meilleure idée. Mais pour aller jusqu'au bout, c'est de compter. C'est combien bloquer le, fond peut-être même mettre le fonds à la disposition de son, de, centre. son, centre. Et oh, le Niger a fini avec la préparation de Alphaga. D'accord. Voilà. Voilà, on va observer une courte pause. Voilà, 18h49 minutes, on a parlé du taekwondo et des Alphaga médaillés d'argent, JO 2016. Nous allons aussi parler des autres disciplines et pour cela, nous allons suivre le président de la Fédération d'athlétisme au Niger. Je vous propose de le suivre. C'est, si vous voulez, une appréciation mitigée, parce que c'est des jeunes qui ont la volonté mais qui n'ont pas euh, d'entraînement. Et vous savez, l'athlétisme, ça ne se fait pas, euh, en tout cas, sans ressources. Malheureusement, c'est ce que la fédération est en train de vivre aujourd'hui. Au début, on s'est, on s'est battu pour faire assez de choses pour l'athlétisme, mais aujourd'hui, euh, pratiquement il y a une démission des autorités, si je peux le dire, une démission des autorités dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi, malheureusement, malheureusement, la fédération est en train de, de prendre un coup. Aujourd'hui, nous avons des invitations au niveau international auxquelles euh, la fédération nigérienne d'athlétisme ne pourra pas participer. un moment, c'est avec nos, fonds, nos moyens personnels que ces athlètes euh, se déplaçaient. Il n'y a pas longtemps au championnat d'Afrique, euh, c'est avec euh, les moyens personnels de la fédération, grâce, grâce, je dis bien, à la société Move qui nous a donné et le billet d'avion. C'est avec ça que l'athlète a pu faire le déplacement pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Et pourtant, c'est sans faire de la publicité, sans faire de, de bruit. La fédération nigérienne d'athlétisme est en train de faire tout ce qu'elle peut en matière de développement de l'athlétisme. Aujourd'hui, la Fédération nigérienne d'athlétisme est la mieux dotée dans la sous-région en matière de kit d'athlétisme. Toutes les régions ont été fournies en kit d'athlétisme. On a créé des centres, on a formé des experts, on a formé les meilleurs entraîneurs de la sous-région. Aujourd'hui, c'est des Nigériens qui officient les, les grandes compétitions internationales, euh, en tout cas au niveau de l'Afrique. Donc, c'est dire que la fédération est en train de faire ce qu'elle peut. Voilà, la fédération, le président de la fédération nigérienne d'athlétisme, M. Jibril Hamidou, il dit que la fédération doit faire tout ce qu'elle peut, en tout cas pour avoir peut-être le niveau euh, à l'image du taekwondo alors, euh, euh, d'endroit vous venez de, vous avez suivi le président de la fédération, l'athlétisme aussi. on, en a, trop parlé, mais il faut dire, il faut, il faut qu'on soit aussi. Euh, je précise que c'est une discipline olympique. Oui, olympique et que le Niger a, avait des représentants. il, faut, qu'on soit, honnête et sincère. qui doit être honnête et sincère Nous tous. Alpha c'est l'arbre qui cache la forêt. Les, les, médaillés des Jeux Olympiques, c'est très bien pour le Niger. Mais après Alpha il y a quoi il n'y a rien, sur le désert. Quand vous prenez juste avant que Alpha aille eh, là-bas aux, Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques, il y a par exemple le volleyball qui devait eh, amener une équipe à Yamoussoukro pour un tournoi à zéro franc. Personne ne leur a donné zéro franc. Même, même l'État. Même, même l'État, personne ne leur a donné zéro franc. Ils sont partis, ils sont, ils, terminés deuxième. Ils ont battu leurs trois euh, premiers matchs jusqu'à aller en finale zéro francs. Avant même, la même fédération du volet devait envoyer deux buts voleuses pour aller et concourir dans l'optique d'aller aux Jeux Olympiques. On leur a dit qu'il y avait zéro francs. Chaque fois. Qui leur a dit c'est Le ministère. vous enlevez Alphaga. Qui a eu quelque chose Quelle fédération a eu quelque chose Aucune fédération. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, le ministère peut se bomber le torse d'avoir Alphaga. Alphaga, je pense que c'est le produit du Niger tout entier, le ministère de sport. Il n'y a aucune politique sportive au Niger, aucun schéma directeur qui a été tracé pour suivre les athlètes. On va revenir peut-être sur je ça. Je pense que Alpha c'est l'arbre qui cache la forêt. L'État en matière de sport, en dehors de ceux qui euh, font leur euh, performance, ne fait rien. D'accord. Arimi, est-ce que c'est cela vous avez suivi le président de la fédération. Est-ce que vous êtes d'accord avec Je suis très d'accord avec euh, mhm. Et en matière de sport, l'État du Niger fait comme les sponsors, c'est-à-dire on accompagne le succès. On profite du sportif pour prendre le bain de foule. Mais on ne fait rien pour construire le sport, on ne fait rien en amont. On, manque de vision. Les, les, fédérations sont réduites vraiment à leur euh, expression la plus euh, simple. simple et tout simplement, c'est une navigation à vue parce qu'on n'a pas de politique nationale de sport, on n'a pas les moyens pour aller aux compétitions internationales, il n'y a pas de prise en charge pour les athlètes, aucune sécurité sociale pour les, sportifs. C'est une navigation à vue. c'est ce qu'on va retenir avec euh, vous. Vraiment. En attendant, euh, c'est navigation à vue. vous avez suivi euh, le président de la fédération. Vous avez suivi. Oui, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Rufai l'a dit. C'est-à-dire que si, même si l'État doit donner, il faut qu'il y ait une politique sportive. Elle n'existe même pas. Et je me rappelle bien de ce journaliste de la presse publique qui a osé dire qu'il n'y a pas de politique sportive et qui, a, en tout cas, qui a failli avoir des problèmes parce que le ministre de l'époque <laughs> n'était pas d'accord. n'était pas d'accord. Il dit que non, il y a bien une politique. Or, on lui a dit sort où est là Il n'y a pas. Y a oui, mais justement, c'est quoi cette politique sportive que C'est des objectifs que ça doit fixer. Par exemple, vous prenez dans telle discipline, objectif, il faut d'abord mettre les moyens, il faut préparer les jeunes. Mhm. C'est des projections, des objectifs qu'il faut atteindre. On ne peut pas se. Le... Hein, c'est vraiment euh, la graine qui est sortie de, des autres, Alors là, on va revenir sur le président de la République. Hier, dans son discours, en tout cas, il a instruit le ministre en charge du sport pour détecter les talents. Est-ce que, euh, tout comme pour le taekwondo, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des résultats Ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'a dit quand le MENA s'est qualifié à la Coupe d'Afrique en 2012, en 2013, au Chan. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a une occasion, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous prenez Alphaga, Alphaga, c'est le fruit de sa fédération et au-delà de, des autres. Des autres. Quand, vous, quand, quand, vous prenez, par exemple, les autres fédérations, elles viennent, elles apportent leur, euh, euh, comment s'appelle, leur euh, plan d'action au ministère. On leur dit, il n'y a pas d'argent, allez préfinancer ça. Après, on ne leur donne rien. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'étais parti une fois à Ouagadougou avec l'équipe de volleyball. Mais je vous assure que vous serez surpris. Le représentant du ministère des Sports à 100 000 francs jour. On était parti, je crois, pour 7 jours. Mhm. Les athlètes ont 50 000 francs la semaine. C'est les frais de prise en charge de restauration. Frais de prise en charge. Ils ont 50 000 francs. Lui, il a 100 000 francs jour. Ça veut dire 700 000 francs la semaine. Eux, ils ont 50 000 francs. Vous voyez, ça veut dire que tout, l'argent qu'il y a. Revenons maintenant à la politique sportive, parce que c'est ça qui nous fait, avancer. Qu'est-ce qu'il faut Ça, fait partie, Hamadou, quand vous, ça fait partie. C'est ça la politique sportive du ministère des Sports. Oui. Les, ceux qui qui ne sont pas dans le sport, qui vivent du sport, alors que les athlètes ne vivent pas du sport. Aujourd'hui, je vous jure, on en a parlé avec beaucoup de présidents des fédérations, ils disent qu'ils sont fatigués. Vous prenez la, dame du, la seule dame euh, de, handball. Elle est malade, mais elle, elle s'épuise à force de mettre son argent. Elle, de quoi elle est à 50 ou 70 millions qu'elle a préfinancé, on ne lui a pas ah, donné. Vous voyez Et, eh, Elle n'est pas la seule. Le volet, c'est la même chose. Donc, le karaté, disons, c'est la même chose. les disciplines. Mais concrètement, concrètement avec vous aussi, vous êtes, vous êtes des acteurs. généraux oui. du, euh, sport au euh, Niger. Il oui, il y en a eu. Écoute, euh, mais concrètement, Arimi, vous êtes des acteurs, vous aussi. Il faut que le Niger, le Niger n'est-ce pas Mais quand on parle du Niger, le ministère de tutelle du sport, c'est vraiment le, le, ministère de la jeunesse et du sport. Il faut que sous vraiment l'égide de ce ministère, qui est une politique nationale de sport du Niger, écrit noir sur blanc et qui sera vraiment la Bible, sinon le Coran de ce ministère-là, et auquel toutes les fédérations, les activités de toutes les fédérations doivent se retrouver là-dedans. On doit dire, voilà en matière de volleyball, par exemple, ce qu'on veut. ça, c'est dans le papier. Euh, oui, La recherche de Attendez, j'en viens, hein. j'en viens. Et dans la politique nationale de sport suppose aussi un mécanisme de financement du sport. N'est-ce pas Ce qu'on n'a pas au Niger. Aujourd'hui, pour, chercher 50 millions, il faut que le. C'est vraiment. C'est les yeux de la tête, quoi. Donc, il faut savoir, il faut avoir, comme dans tous les pays qui se respectent, une politique nationale de sport avec son mécanisme de financement et les résultats à atteindre à court, moyen et long terme. D'accord. C'est de euh, cela qu'il s'agit. On finit avec vous. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous suggérez justement par rapport à, On l'a dit de toute façon. Euh, c'est des programmations qu'il faut faire. Voilà un ministère qui est là, qui a beaucoup de cadres, qui sont assis dans les bureaux à faire des mots croisés, alors qu'il fallait peut-être réfléchir par rapport à la politique. C'est une vision. Voilà, on prend toutes les disciplines. Il y en a combien Ok, on prend le handball. Dans quatre ans, on veut quoi Est-ce qu'on veut aller aux Jeux Olympiques Est-ce qu'on veut être champion d'Afrique C'est des objectifs. Et entre-temps, Arimi le disait, il fallait qu'on trouve un moyen de financement. ça, c'est uniquement du ressort de l'État. Mais qui peut D'accord. <laughs> Oui, juste deux secondes. Oui. La preuve que ce sont des paroles à l'air des politiques. Le budget du ministère du Sport ou du sport dans son ensemble, avec 25 fédérations, sur le plus petit budget avec 0,025 en 2015 par exemple. 500 millions seulement sur 1000 400 milliards de francs CFA, c'est ça le budget de sport qui a été déjà eh, consommé euh, à 2-3 mois. Vous voyez et, Donc, euh, la, réflexion mérite d'être poussée. Merci à vous. Est-ce que c'est le, rôle de l'État Oui, parce que c'est le ministère de Sport qui donne la délégation de pouvoir à toutes les fédérations. Et il peut retirer à tout moment. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Merci d'être venu. Merci à vous, Arimi Abba de Alternative Espace Citoyen. Merci à vous, Sekberi de la Voix de Sahel. Et merci à vous, Rufai Dandoua de la télévision Liptako pour ce forum de la presse. Merci à vous, chers auditeurs, euh, pour, pour, euh, pour nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.